l'international euh, je suis le, DG de l'AS qui est en charge de l'exploitation et de la gestion de l'aéroport international Blesdiane. Aujourd'hui, on est très heureux, on félicite notre quatrième année euh, avec tous nos travailleurs, avec tous nos partenaires, avec tous nos partenaires sociaux et aussi avec nos polices, douaniers, gendarmes, euh, notre compagnie aérienne Air Sénégal, Autorité, AIBD, tous ensemble. On félicite notre quatrième année. C'est euh, pas très important. On, vient, sort d'une euh, situation assez difficile de pandémie. J'espère que ça sera beaucoup plus mieux en 2022 et pour la suite. Inch'Allah, l'année prochaine, on va féliciter notre cinquième année. Et notre cinquième année, on espère d'avoir un euh, nombre de passagers euh, qui atteignent nos objectifs, un nombre de vols qui atteignent nos objectifs et un euh, tonnage de cargo qui atteint de nos objectifs. pour nous, c'est très important la satisfaction de nos passagers. On travaille d'abord pour notre pays, mais aussi pour nos passagers on travaille beaucoup sur ce sujet. en 2022, euh, on aura euh, à peu près 4 millions d'euros d'investissement. ces 4 millions-là, ça serait euh, utilisé pour la satisfaction des passagers, pour améliorer nos services et pour améliorer l'image de notre aéroport. L'ouverture de l'aéroport, on était dans les statistiques de Yoff. en 2018, on a approché à 2 millions de passagers. En 2019, on était à 2,4 millions de passagers. malheureusement, euh, en 2020, on a eu une baisse euh, liée avec la pandémie. cette année 2021, probablement, on va finir avec 1,8 million de passagers. Donc c'est une signe qu'on est en train de redécoller, encore une fois. Et pour nous, le cible pour 2022, arriver au niveau 2019, c'est ce qui est très bien parce qu'il y a beaucoup d'aéroports qui n'arrivent pas de cibler ces chiffres-là actuellement. Euh, l'objectif euh, de notre aéroport euh, dans le plan Sénégal Émergence, c'est d'être un hub dans le sud saharien, dans la région sud Bien sûr, il y a des aéroports qui sont bien en avance comparant notre aéroport, notamment l'aéroport Casablanca, Abidjan, etc. Donc pour nous, premier but de les attraper. Et je pense que dans les, euh, futurs euh, très proches, on va atteindre ces objectifs-là et après on les dépasser. Donc euh, probablement au niveau de service et au niveau du nombre de passagers, du nombre de vols, on va atteindre nos projets bientôt. Déjà entre 2020 et 2021, euh, vu euh, la situation de pandémie en Europe qui est 46% de notre marché, euh, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué avec le niveau de vaccination en Europe. ça nous a beaucoup aidé pour la reprise. Mais aussi, le développement de, Sénégal nous a aidé beaucoup pour la reprise. la différence entre 2020 et 2021, ça vient avec ces deux développements-là. On espère qu'il continue comme ça. Euh, vu les résultats euh, de 4 ans de l'AS, on a beaucoup parlé du nombre de passagers, du nombre de vols, mais il faut aussi parler de notre contribution sur l'économie sénégale. à la fin de l'an 2021, sur 4 ans d'opération, euh, avec tout ce qu'on a euh, dans l'économie directe du Sénégal. C'est un total 125 milliards CFA euh, qui présente 25% des investissements qui, qui s'est fait par l'État sénégal pour cet aéroport. Euh, sans oublier qu'on sort d'une situation de pandémie. Donc, on peut être ambitieux pour les années prochaines pour faire des chiffres beaucoup plus importants, surtout pour l'économie sénégalaise. waaw euh, donc contentement bu mag la ci ñun chaque année bu ñu taxawee di euh, célébrer anniversaire u aéroport bi depuis ñu ñu tijji ko 7 décembre 2017 ba tey ça fait aujourd'hui 4 ans donc mbégte la pour ñun ñëpp ah pour toute la communauté aéroportière pas seulement l'AS en tant que gestionnaire de l'aéroport mais toute la communauté aéroportière AIBD. Euh, nga xamante ni moom moo fi représente l'État du Sénégal mais également euh, des ak euh, tous les partenaires de l'aéroport police douane gendarmerie ñëpp mbégte la ci ñun ñu toogaat fii tey di euh, célébrer anniversaire bi aéroport bi nag bi ko démarré ci ci dynamique gu yokkute la nekkoon L'aéroport ndax euh, aéroport Dakar Yoff lañ en 2017 et nous ñëwé automatiquement automatiquement euh, trafic l'aéroport aéroport bi dafa yokk euh, ñu ngi koy 2018 bi ñuy célébrer suñu premier anniversaire Nous ngi nekkon 2 millions plus de 2 millions de passagers donc croissance est xamanteni presque 10 croissance continue. continuer ba 2019 nous avons 2 millions 400 000 passagers vraiment Euh, ñu euh, li état du Sénégal xaaroon yëpp ci aéroport bi ñu gis ko malheureusement nag entre temps pandémie bi ñëw na euh, ni mu dalee yeneen secteur yëpp dalee na ko aéroport bi waaye alhamdulilah tey yëf yaa ngi jógaat daal. actuellement nii ñu ngi mois de décembre donc fi fii ak fin daal ci suñu ay saytu war nañu egg un million huit cent mille passagers. waaw loo xamante ni nag lu baax la pour ñun parce que gis nañ ni buñ ko comparé ak anne bi passée mais croissance bu mag la. des organisation internationale aviation civile de waxoon ni euh, aéroport yi pour ñu c'est niveau 2019 dina a un quand même temps dina a euh, deux ans trois ans mais sommes déjà 2022 si tout se passe bien on va retrouver notre niveau de trafic bu 2019 donc euh, mën nañ ni tey bi l'aéroport mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi transport très bien. waaw euh, xam ku nekk li ngay liggéey da nga ci am ay objectif dañ ciy fixé ay objectifs ko atteindre bu ñu xoolee suñu environnement bi ñuy liggéeyee aéroport yu ñu mën a compareel dans la sous-région ay Abidjan la ay euh, voilà yooyu mais ñun. suñu ambition weesu na foofu parce que ak compagnie Air Sénégal développement bi muy def nii ci aéroport bi pour le moment mën nañ mën nañ tolloo ji ak aéroport euh, Casa du yomb nag parce que aéroport Casa franchement aéroport bu mag la aéroport boo xam ne dañu liggéey dëgg day bu suñu egg mais dañuy fixer suñu bopp ay objectif pour que d'ici quelques années ñu egg niveau aéroport Casa te loolu mën na nekk incha allah 2020 ak 2021 yokk na bu baax a baax moom loolu moom ñëpp gis nañ ko ndax 2020 moom Euh, année la boo xamante ni presque genn wàll at bi yëpp frontières yi dañ ko tëj donc nit ñi mënuñu woon tukki mënuñu woon dem ñu ñëw. mais 2021 djiwat nañu frontière yi nit ñaa ngi tukkiwaat ak des conditions euh, bien sûr sanitaires euh, euh, notamment le pass sanitaire notamment vaccination ku vacciné wu di nga mëna dem donc nit ñi nag mënuñu continuer euh baa ngi fi pandémie mi ngi fi batay joggé jógee gu fi mais mesure yi nga xamanteni ni moom la ñu waa waa santé jox rek moom la ñuy jël jëfandikoo ko dox si ñuy soxla parce que économie moom du taxaw donc l'aéroport, le trafic bi boo ko 2021 comparé à 2020 dafa yokk bu baax a baax. contribution ci euh, waaw LAS comme toutes les entreprises hein, du Sénégal faut contribuer beaucoup baax l'économie euh, économie Sénégal euh, ci panel bi nga xamante aviation civile organisé le coup parce que bu leen pas ni anniversaire aéroport bi dafa tomber avec anniversaire euh, euh, journée internationale de l'aviation civile donc c'est kaw loolu direction de l'aviation civile le colloque ak AIBD SA organisé nañ panel bu mac ci aéroport bi euh, ñun présentation bu ñu fa dem wane nañu suñu entreprise LAS mi nga xam ne la état du Sénégal dénk gestion aéroport bi li muy contribuer ci économie nationale euh, suñu directeur général euh, saytu na ko xool ko ba mu 125 ci milliards de francs CFA loolu lu am solo la te ñëpp rafetlu dañ ko ndax entreprise dafa war participer ci yokku dëkk de LAS ci loolu la ñu gën a bett ci pandémie bi fret ci la bokk ndax fret bi dafa wane nii euh, ni bien que passager yi wàññeeku nañ ci biir pandémie bi fret bi moom dafa yokk waaw dafa bett dafa bett ñëpp voilà dafa jóge ci 33 euh, mille dem ba 36 mille ton ah ci jamono boo xamante ni vraiment frontières yi dañ ko tëjoon marchandises yi ñu ngi continuer di di di tukki te loolu nag aéroport bi te na ko te dinañ ci def ay euh, ay liggéey yu rëy yoo xamante ni nii day yokk